Augmentation du nombre de décès dus à la méningite. Le bilan au 1er avril passé selon les autorités sanitaires et l'OMS est de 55 morts. Au total, 921 cas de méningite ont été enregistrés dans 6 régions dont 302 à Niamey, 232 malades pour la région de Dosso, Maradi 67 cas, 153 à Tilaberi et 10 cas à Zander. Pour rappel, le 29 mars dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ménagit, Nasara Nassara relevé que six districts sanitaires de ces localités étaient en alerte. Un seulement est entré en épidémie depuis le 28 mars. Il s'agit de Niamey 2, notamment les centres de santé intégrés de Flankwara, Lazare et Bukoki. L'école nigérienne a été de nouveau bloquée cette semaine. 72 heures de suspension de cours sur l'ensemble du pays. Une énième grève des enseignants du primaire et du secondaire regroupés au sein de la synergie cause Niger-Sinaseb. Celle-ci s'ajoute à celle de l'Union des scolaires du Niger qui a duré toute la semaine. Cet élève de Terminal 2 affirme être inquiet pour son avenir du fait du retard accumulé à cause des multiples grèves. On est arrêté Ah oui, on en a marre. On n'a même pas eu quatre mois de cours. Est-ce que vous pouvez dire avec ces trois mois que vous pourriez être prêt, même avec ces cours de rattrapage Bon, on aura quelque chose qu'on peut maîtriser, mais pas tout le Affectés par la situation de l'école publique, les parents d'élèves essayent de trouver la solution dans le privé. C'est le cas du Adamou Ismaël. Chaque une semaine, deux semaines, ils sont en grève, les enfants font pratiquement rien. Avec tout ça, je paye encore le frais de scolarité. Les enfants ne font pas normalement les scolarités. Je trouve que je suis en train de faire un investissement inutile. On n'arrive pas à finir le programme scolaire. Ça va se répercuter sur les enfants. Des incarcérations d'acteurs de la société civile à Niami. Michael Zodi, ancien rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante SUNY, a été interpellé mercredi 4 avril par la police judiciaire de Niamey puis placé sous mandat dépôt à la prison civile de Niamey. Il est accusé d'avoir touché son salaire de professeur en secondaire durant trois ans sans pour autant exercer. La seconde interpellation qui défraie la chronique, c'est celle de Baba Alpha, journaliste à la radio-télévision Bonferré, qui a été placé en détention à la maison d'arrêt de Niamey depuis le lundi dernier. Il est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture publique. Il lui est reproché d'avoir produit des faux documents pour obtenir des pièces d'état civil, notamment un certificat de nationalité. Baba Alpha a été arrêté en même temps que son père et une troisième personne, Sidi Omar, qui l'aurait aidé dans cette fraude. Suite à ces interpellations, la coalition des structures de la société civile Sauvant le Niger a réagi le 6 avril dernier. Moussa Tchangari, secrétaire général de Alternative Espace Citoyen, nous condamnons fermement les harcèlements, les arrestations, les interpellations contre les acteurs de la société civile, les journalistes et d'autres citoyens, du fait simplement de leur prise de position, de leur engagement. C'est contraire à un certain nombre de principes et de valeurs de la démocratie. Tout cela est fait pour intimider. Et Inch'Allah, les acteurs de la société civile ne se décourageront pas à cause de ça. Et nous exigeons la libération de nos camarades. Un troisième pont pour la région du Niamey. Ce dernier portera le nom de l'ancien président général Sini Kunti. En effet, le président de la République Issifou Mahamadou a procédé jeudi 6 avril à Goudel à la pose de la première pierre du Dupont. Une fois terminé, ce pont va relier le village de Goudel, rive gauche, et au quartier Lamordé, rive droite. Les travaux dureront trois ans et seront exécutés par une entreprise chinoise. Selon le ministre de l'équipement Kadi Abdoulaye, le projet est financé par la République populaire de Chine à titre de don à plus de 50 milliards de francs CFA. Enfin, mardi 4 avril dernier, un forum économique nigéro-tunisien s'est tenu à Niamey au Palais du Congrès. En marge de cette réunion, une séance de travail a été conjointement présidée par le Premier ministre nigérien Brigitte Raffini et celui de Tunisie Youssef Chahed. Ainsi, Plusieurs protocoles d'accord étaient signés, notamment sur l'économie et la sécurité. Pour Brigitte Raffini, les États doivent mutualiser leurs efforts pour mieux combattre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien.